Mais je voudrais d'abord dire que dans ce lieu de vote du lycée Albourignay, où je viens d'accomplir mon devoir citoyen, le vote se déroule quand même normalement. Il a, je n'ai constaté aucun incident, il n'y a aucun bulletin manquant pour euh, les différents candidats pour le moment. On souhaite qu'il en soit ainsi sur l'ensemble du territoire national. Mais je voudrais en dépit de tout cela, confirmé une information qui a été relayée par un de vos confrères relative à une différence de nombre d'électeurs entre le fichier de la SEDA et le fichier du ministère de l'Intérieur au nombre de 360 électeurs. qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à justifier. Comme on le dit, un crime n'est jamais parfait. Il y a certainement une raison pour laquelle cette différence existe. D'autant plus que nous sommes dans le fief du ministre de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des élections. Je voudrais lancer un appel à tous les représentants des candidats de faire la même vérification au niveau de tous les bureaux, de, de, vote sur l'ensemble du territoire national pour constater est-ce qu'il existe une différence entre le nombre d'électeurs qui se trouvent dans le fichier de la SEDA et le nombre d'électeurs qui se trouvent dans le fichier du ministère de l'Intérieur. Cela, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cela nous permettra de pouvoir faire une compilation et de savoir si exactement ce qui a été décrié dès le début existe ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe deux fichiers Si tel est le cas, cela veut dire que les élections sont biaisées. Cela veut dire que ce que l'opposition a toujours constaté, contesté, l'organisation des élections par un ministre de l'Intérieur qui appartient à un parti politique, ne peut pas être une organisation fiable. Mais en tout cas, pour le moment, en ce qui concerne le département de Niger, c'est ce que nous avons constaté. En plus de cela, il y a un transfert massif d'électeurs, des vingtaines, trentaines de bus qui viennent de villes hum, de l'intérieur du Sénégal. Et ce n'est pas de notre fait, c'est le fait du ministre de l'Intérieur. Tout cela laisse planer des soupçons, n'est-ce pas, sur une possibilité de fraude et de trucage de l'élection présidentielle, en tout cas ici dans le département de Nîmes. Oui, cela peut être, je l'ai dit, je l'ai répété, je le redis. Klim où se trouve euh, la ferme du ministre de l'Intérieur, il n'y a pas plus de 10 cases hein, à Klim. Euh, c'est un village qui n'a jamais connu de, bureau de vote. Le ministre Alim y a installé un bureau de vote avec 60 électeurs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un émiettement des bureaux de vote pour cette élection sur l'ensemble du territoire national, avec des milliers de bureaux de vote de moins de 300 électeurs. Certainement, ce qui est visé par euh, l'organisateur de ces élections, c'est de faire en sorte que l'opposition n'ait pas la possibilité d'être présente partout. Et si l'opposition n'est pas présente dans 1000 bureaux de vote comportant chacun 60 électeurs, ça leur fait 60 000 électeurs de plus. C'est dommage, moi j'ai tout fait pour attirer euh, l'attention des, candidats sur cet, euh, état de fait. J'ai même lancé un appel pour que si les candidats ne peuvent pas siéger ensemble pour régler cette question, au moins est-ce que le directoire s'y attelle Cela n'a pas été fait, on a été pris par l'élan de la campagne électorale et on n'a pas fait attention sur beaucoup de choses. Mais en fait, s'il y a une détermination le jour du vote, si il y a une conjugaison des forces, une mutualisation des forces, particulièrement en termes de ressources humaines, on peut parer à tout cela. Bon, mais attendons, d'ici le début de l'après-midi, quand on aura fait le tour de la situation sur l'ensemble du territoire national, on pourra avoir une idée exacte euh, de la fin du déroulement. Mais votre état d'esprit, vous êtes confiant Bien sûr que je suis confiant comme d'ailleurs vous, l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, il est certain que Macky Sall est désavoué, désavoué complètement. Et vous avez constaté dans <clears throat> les, dernières semaines, la dernière semaine de, la campagne électorale, la montée en puissance de notre candidat, Maître Medi qui est devenu quand même le chouchou des populations sénégalaises, qui a gagné leur sympathie. Et par sa touche personnelle, il a réussi à renverser la situation. Nous souhaitons que cela se traduise dans les urnes et si cela se traduit dans les, se traduit dans les urnes, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas au deuxième tour, parce que le deuxième tour est inévitable au Sénégal. waaw euh, ci finit au toll qui ci fii nga xam ne laa wote muy Lise Albouri Ndiaye gis naa ne jàmm fi am yëf yaa dem euh, ci pour le moment gis ma ci bureau yi ma dugg bulletin candidat pour xam ne xëj na nit ñi bareeguñu dañuy xaar ba ngoon ñu ñëw wote si mais loolu daal am na waaye nag li ma bëgg li ma bëgg quand même euh, firndeel waat waxat ko mooy démb dafa am seen benn euh, naatango boo xam ne taskatu xabaar la mu ne ci département Linguère gis nañ ne fichier bi nga xam ne ñiy wate ca la ñu nekk waa SEDA yore ko maanaam waa Sénat bi ak bi nga xam ne moom la ministre intérieur yore muy préfet am na wuute ci li nga xam ne mooy dayo bi ni mu toll ci ñu war a wote te boo ko xayma am na wuute bu ma toll ci ñetti téeméer ak juróom benn fukki électeur diggante Sénat li mu yore ak li nga xam ne ministère intérieur moo ko yore loolu nag mën naa wax ne xaj na li nit ñi doon wax ne ñaari fichier électoral moo am mën naa muy dëgg moo tax may ñaan suñu naatangoo yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal yëpp liggéey bi nga xam ne taskatu xabaar bii bu RFM moo ko def vérifié ko ñun ñu vérifié ko encore bi mu ñu ko joxee ma leen di ñaan ñoom yëpp ci Sénégal lañ ko def nañ xool fichier électoral bi nga xam ne moom la Sénat yore ak fichier électoral bi nga xam ne moom la ministre intérieur yore ndax ñoo bokk wala bokkul ñoo yem wala yemul loolu am na solo

mën nañoo jàpp ne kon fichier SEDA Sénat ak fichier ministère intérieur bokkut loolu daal euh, ci ci ci ci ci ci ci fi nga xam ne moom laa toll ci ci watt bi loolu laa bëgg a wax affaire kilim loolu lu ma wax la waxaat ko waxaat ko kilim mooy ab dëkk la boo xam ne ay nit ñu baax a fa nekk mais la fa nekk motul euh, fukki fukki néegu ñax mosul am biro électoral mais dafa fekk na toolu ministre bi organiser élection yi mu Aly Ngouille Ndiaye fa la nekk mu dem fab benn bureau nag samp fa def fa bureau boo xam ne bii ay juróom benn fukki nit ñoo fa nekk mais boo xoolee euh, carte électorale bi da ngay gis ne bureau yu mel noonu ci Sénégal dafa bari boo ko xaymaa ba mu mat junniy bureau parce que ñoom liñ ci liñ ci jublu mooy tasaare bureau yi ba mu bari ba nga xam ne opposition du mën fu nekk mu teew fa bu ko defee boo am boo amee euh, euh, junniy bureau yoo xam ne juróom fukki juróom benn fukki nit fa nekk opposition nekk fu mun nañu ko contrôler léegi boo ko xaymaa bu ñu defee kees yi ba mu fees day nekk juróom benn fukki junni électeur vote ñoo xam ne ñoo leen woteel loolu du loo xam ne day dimbale pour élection yi leer moom nag man te jël benn wax naa ko ne euh, ñi nga xam ne ñooy candidats yi war ñu taxaw ñu saytu loolu yëpp bu ñu ko mënul def ñu wax seen directoire ñu daje pour saytu ko mais bon nit ñi dañoo ku nekk rek jublu ci campagne électorale bi wër Sénégal et cetera or que am na ay problèmes yoo xam ne yu tar la woon yoo xam ne war nañ ko étudier mais yooyu yëpp bu fekkee ne nit ñi li ñuy wax mi ngi ci ñoom ne bay nañu maak i Sall te dañoo bëgg changement am ñu farlu ci bu baax lu ñu def fraude fraude fraude am na loo xam ne li du mën a woy te fi mu nekk nag moom euh, yaakaar nañ ne daal. Euh, yëf yi dana lu ñu sàcc sàcc sàcc moom deuxième tour mënul ñàkk bañ am deuxième tour nag bu dee am ñëpp njort nañ ne quand même ñun ñu toj réew mi ah muy suñ candidat maître Madické Niang ala kulli mooy dem deuxième tour parce que ci fan yu mujj yi gis ngeen li nga xam ne moom la doxalee parce que Sénégal loolu la bëgg boo nekkee seen njiit da ngay woyof mën a ànd ak ñoom doo ñàkk fula doo ñàkk fayda mais boo wàccee ba toll nit ñi ci ngay gën a xam seen soxla motax yalla defal ko xëy ci bamuy commencer muy commencé na mais ci njeexlatu campagne bi melna yalla dal fam na ko dugal ci xol Sénégal yépp ne ko suñ borom duggalé nak ci xol Sénégal yépp li ñuy ñaan ñu dugalee ko ci urne yi ba bu ngone ñu ne wii Madické Niang mu dem deuxième tour bu démé ci élection yu jeex yi yalla fal ko parce que mom ñëpp xam nañ né bu faloo Sénégal dana neex.